Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningauré, Tirozerine, Magaria, Mainensoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum de ce jeudi porte sur la maladie mentale. Ceux qui souffrent de cette maladie, ce sont les malades mentaux ou les déficients mentaux. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la maladie mentale est un problème de santé publique. En effet, selon elle, les troubles mentaux ou neurologiques affectent une personne sur quatre dans le monde à un moment ou l'autre de leur vie. Environ 450 millions souffrent actuellement de ces pathologies, ce qui place les troubles mentaux dans les causes principales de morbidité et d'incapacité à l'échelle mondiale. Au Niger, il y a des malades mentaux, beaucoup même. On les croise un peu partout, dans les rues, dans les égouts, exposés à toutes sortes de dangers. Ils sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils inspirent la gêne et la peur. Dans ce forum, nous allons essayer d'avoir une vue sur la maladie mentale au Niger qu'est-ce que c'est que cette maladie, les différents types de maladies mentales, les personnes les plus exposées, les causes, et puis un échange sur ce regard de la société. Les malades mentaux sont mal vus, à commencer par leurs propres parents. Alors pourquoi cette attitude de rejet et quelles en sont les conséquences pour les malades et la communauté on va aussi s'apaisantir sur le traitement des malades, la disponibilité des services de soins, le coût pour les citoyens lambda, avant de passer à l'étape de la réinsertion sociale, puis à l'accompagnement à travers des formations, des activités génératives de revenus pour ceux qui ont la chance d'en arriver là. La maladie mentale, pour en débattre, nous avons invité des personnes bien indiquées. À ma droite, le professeur Douma Mega médecin-chef euh, du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être venu. Monsieur, euh, à ma, monsieur Abdoulaye Sanda, praticien Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Et monsieur Sidouk Amadou, psychologue au service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Nous suivrons aussi un reportage sur la situation des malades mentaux à Dosso, mais surtout la contribution de Grégoire Agbonon, un Béninois très connu dans la défense des droits des malades mentaux. Son association, ses cinq amis, grâce à laquelle il a pu traiter quelques 60 000 malades mentaux de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Chers invités, merci d'être venus et je commence par le professeur qui est à ma droite qui va euh, commencer par nous définir la maladie mentale dont on parle et qui est le thème. Merci de, nous avoir donné cette opportunité d'échanger sur un sujet euh, euh, qui malheureusement n'est pas euh, le sujet que les personnes traitent au quotidien, notamment les journalistes. Euh, je vous félicite d'avoir choisi ce sujet. Et avant de définir la santé mentale, je pense qu'il faut, avant de définir plutôt la maladie mentale, il faut d'abord définir ce que c'est que la, santé tout court. Et nous allons voir que dans la définition de la santé, telle que donnée par l'OMS, il y a cet aspect-là. Euh, on déduit très rapidement ce que pourrait être euh, la maladie mentale. L'OMS dit ceci, la santé mentale, c'est un état d'équilibre physique, psychologique et social. Définition simple. Nous savons que la santé, elle englobe euh, l'être humain, c'est-à-dire non seulement l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect social. Et quand il y a un problème de santé mentale, notamment une maladie mentale, c'est l'aspect psychologique qui est touché, avec des répercussions importantes sur l'aspect social. Hmm. C'est-à-dire tout ce qui a trait au cerveau Tout ce qui a trait au cerveau, tout ce qui a trait au comportement, tout ce qui a trait euh, aux habitudes de l'individu dans la société. Maintenant, une une définition consacrée à, la santé mentale. la santé mentale, et nous allons venir à la définition de la maladie, la santé mentale, c'est euh, l'aptitude de l'appareil psychique à fonctionner de façon harmonieuse, à faire face aux difficultés de la vie quotidienne, en modulant en s'adaptant aux difficultés de la vie quotidienne et à rétablir son équilibre après ces épreuves difficiles de la vie quotidienne. Et donc quand il y a un problème de santé mentale, cette aptitude est perdue. L'individu n'arrive plus à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. Je parle de la santé mentale, je ne parle pas des aptitudes physiques. Je parle des aptitudes psychologiques et des aptitudes sociales qui ne s'adaptent plus aux difficultés de la vie quotidienne, aux conditions normales de la vie quotidienne. Voilà un peu euh, la définition de la santé mentale. Et donc, du coup, on comprend bien que toute personne qui a des difficultés à s'adapter adapter son appareil psychique, son comportement social, son comportement tout court, aux difficultés qu'il rencontre au cours de la vie, eh bien, cette personne-là a un problème de santé mentale. Quel genre de difficulté peut désaxer déséquilibrer euh, une personne Vous savez, la vie, euh, à bien regarder, elle n'est faite que d'épreuves, elle n'est faite que d'événements qui nous amène à, réfléchir et à nous en sortir. Quand vous quittez chez vous, vous venez au boulot, ben, ce sont des difficultés que vous résolvez pour faire avancer votre travail. Ok Quand je dis difficulté, entendre bien que ce n'est pas forcément un problème. Une profession, on quitte, on vient au, travail, on est face à une situation et il faut y faire face. Et normalement, quand on est bien, quand on n'a pas de problème de santé mentale, on travaille correctement. On fait face à ces difficultés. On met en œuvre son appareil psychique, son comportement social, son professionnalisme pour faire face à ces difficultés. Et à la fin de la journée, on est satisfait parce qu'on a bien travaillé. Quelqu'un qui a un problème de santé mentale, une, un problème de santé mentale, une maladie mentale, n'a pas cette capacité à faire face par exemple à son travail, à faire face à ses relations sociales, à faire face à ses obligations familiales. Je, parlais tout, à l'heure de troubles, de <clears throat> troubles, mentaux, troubles, neurologiques. Est-ce que tout cela se retrouve dans la maladie mentale Absolument. La maladie mentale, quand on parle de maladie mentale, d'ailleurs le terme consacré, c'est les maladies mentales et neurologiques. Il est difficile de dissocier le cerveau d'où découlent les maladies neurologiques ok, et la psychologie qui est dans le, la base, le socle de la psychologie, c'est le système nerveux, le système nerveux tout court. Vous comprenez Donc, quand on a euh, un problème neurologique, maintenant, prenons un problème, on fait accident, on a un traumatisme crânien, et que le cerveau est atteint forcément qu'on aura des difficultés à, s'adapter à sa vie quotidienne à cause de ce déficit occasionné par l'accident de, la, voie publique. Merci pour ces précisions, professeur. Nous allons donner la parole à Moulay, qui est praticien. Vous, euh, certainement, ce n'est pas la même définition, mais vous avez, quand vous parlez de maladie mentale, il y a beaucoup plus l'aspect d'esprit qui ressort, de possession, c'est ça Oui, il y a des possessions qui est héréditaire. Il y a des possessions envoyées par les ennemis. On peut avoir une maladie mentale par les sorciers ça veut dire, ici on dit en français c'est le sorcier, mais même nous les guérisseurs même, on peut envoyer une maladie comme ça envers la personne. Pourquoi Si tu es, si tu es, tu as un ennemi qui ne veut pas ton bonheur, il peut être, il peut te rendre malade mental par les esprits mauvais. Et la personne, une fois qu'on l'amène à l'hôpital, arrivé là-bas, tu vas voir, la maladie va se calmer. Une fois qu'il sort, quelques jours après, la maladie revient. Ça, c'est malade, la maladie envoyée par les gens ou les mauvais esprits qui sont venus eux-mêmes envers la personne. Et il y a des maladies mentales c'est le problème du monde qui, le provoque. Là, vous rejoignez la science Vous rejoignez la science. Il y a des maladies, c'est les accidents. C'est toujours un peu la hein? définition de Voilà. Comment décrivez-nous euh, quelqu'un qui a un esprit qui est animé par un esprit. c'est lui qui est animé par un esprit. Un esprit envoyé ou bien. Voilà, euh, lui, il voit les signes. Ça veut dire, il voit l'esprit, des fois, ça, ça, ça, apparaît envers lui. Ça lui fait peur. Parce qu'il voit quelque chose devant lui comme une personne normale. Mais la personne qu'il ne connaît pas, il ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Parce que j'ai eu des malades qui, sont, qui, qui, me disent, ce sont des femmes qui, qui, viennent, qui, qui ont accouché. Et surtout, les, certains maladies, certains mauvais esprits aiment les femmes qui sont dans le temps de, quand ils ont accouché. Ils les attaquent directement. Et j'ai eu devant qui me dit il voit le mauvais esprit derrière les rideaux qui le fait peur. Ou bien il ouvre la fenêtre, il le fait peur. Il, il envoie quelque chose comme le serpent ou bien le feu, quelque chose qui va le faire peur facilement. Bon, si on trouve des choses comme ça, on leur donne des produits qui va chercher d'abord c'est le traitement, on en parlera. Monsieur Sidikou, vous, vous êtes à la croisée certainement entre les deux, la, euh, euh, pratique traditionnelle et puis la science. Euh, si on vous dit de ramasser les deux, vous nous donnez une définition. Oui, merci. Moi, je dirais que la maladie mentale, c'est une rupture avec la réalité. Donc la personne est désadaptée par rapport à la vie quotidienne. Donc il y a des comportements anormaux que son entourage n'arrive pas à comprendre. Parce que pour nous, le malade mental n'est pas seulement celui qui insulte les gens, celui qui agresse les gens, mais dès qu'il y a un comportement, un, dysfonctionnement du comportement quotidien, l'entourage n'arrive pas à comprendre cet individu il va comprendre que quelque chose ne va pas. Et si on dit par exemple que c'est pas normal, il n'est pas normal, ça veut dire que déjà on comprend que quelque chose ne va pas dans son comportement. Est-ce que vous prenez en compte les, esprits dont parle Abdoulaye Oui, bon, les esprits, nous, on ne donne pas trop la force sur les esprits. Parce que nous, nous disons euh, que c'est des représentations, des représentations sociales, l'image que la société se, fait de quelque chose. Par exemple, moi, je dirais que par rapport à ce qu'il a dit, que eh, nous avons l'habitude de dire, ou bien un penseur qui a dit, là où le psychiatre n'existe pas, ou le psychologue, la maladie mentale, et, eh, eh, la folie n'est pas une maladie mentale, mais une déviance. Pourquoi je le dis Si, en cas de, de, trans, par exemple, si, si le psychologue ou le psychiatre est là, il peut observer, il peut regarder et il peut faire son raisonnement. Il va trouver des symptômes ou des syndromes qui vont faire en sorte qu'il va donner un diagnostic à cette situation. Mais comme on dit que si le psychiatre ou le psychologue n'est pas là, la, folie n'est pas une maladie, mais une déviance. Donc comme nous avons les représentations sociales, on croit, parce que les croyances sont très fortes. Et vous y croyez aussi Bon, en tant, que, en, tant que, en tant que traditionnaliste ou bien en tant que Nigérien, on peut, on peut parfois croire mais on n'est pas convaincu. Parce que parfois, c'est la société qui t'impose des choses. Mhm. Professeur, on a parlé de la maladie mentale. Quelles sont les formes de maladie mentale qu'on rencontre rapidement au, Niger euh, Oui, euh, ce qu'il faudrait savoir, c'est que euh, la maladie, on, vient de définir la maladie mentale, qui est une incapacité de l'individu à s'adapter à son environnement social. ok Et cette incapacité est de façon permanente. Ça, c'est la définition de la maladie mentale la plus simple, de façon générale, quelle que soit la maladie. Vous comprenez Donc une désadaptation de l'individu qui fait que ceux qui l'observent montrent que, euh, distingue euh, distinguent que son comportement n'est pas en accord avec ce qu'il a l'habitude, ce qu'il était avant. Ok Maintenant, cette désadaptation-là, l'expression de, la maladie, il y en a plusieurs sortes de maladies mentales. Ok Ça, c'est un. Maintenant, euh, la, définition de la maladie, ça va dépendre du modèle dans lequel on se situe. Là, nous, on parle du modèle purement médical. Euh, le tradit praticien a parlé de, de l'explication socioculturelle, de la du point de vue socioculturel, il a donné une définition de la maladie. Je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Maintenant, dans son expression, la maladie, nous aussi, on voit bien des patients qui nous disent, bon, il y a le diable, nous voyons des choses, on voit le diable, on voit un certain nombre de choses, ou que ils sont, euh, c'est des sorciers, ils ont des hallucinations, ils voient toutes sortes de choses. L'explication que donne la tradition, de, du même, de ce phénomène est différent de l'explication que va donner la médecine de ce phénomène. Donc, c'est des angles de vue. Oui, c'est bien compris. Par exemple, à l'hôpital, euh, à votre service psychiatrique. Alors, à notre service psychiatrique, la majorité des maladies qu'on voit, ce sont les maladies qu'on appelle les psychoses aiguës. C'est quoi les psychoses aiguës C'est les maladies dont l'expression déconnecte l'individu totalement de la réalité. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Et non seulement qu'il il, ne comprend rien, non, il a une conception différente de la vie pendant cette période de la maladie. Il comprend bien ce qu'il comprend, mais dans sa conception qui est strictement individuelle. Vous comprenez Et qui malheureusement se retrouve en déphasage avec... Euh, Absolument, qui, se, qui se retrouve en déphasage avec la réalité extérieure. Et c'est pour ça que les observateurs extérieurs que nous, sommes, nous voyons que le comportement, les propos, euh, la façon dont cet individu-là se comporte est totalement déconnecté de la réalité. Mais lui, dans son vécu, dans son vécu, il pense, il croit le contraire, qu'il n'est plus compris par le monde, que c'est le monde ne va pas bien. Ça, c'est la première catégorie de maladies, c'est ce que nous voyons le plus souvent. Et quand il nous arrive, c'est après avoir fait, bien sûr, un certain nombre de, traitements ailleurs. C'est assez euh, grave quand il nous arrive. Voyez-vous Il y a euh, la deuxième catégorie de maladies que nous voyons, ce sont les dépressions. Troisième catégorie. La dépression, c'est quoi La dépression, ce n'est rien d'autre que euh, la forme anormale de la tristesse. Tout ce que Dieu fait, il y a la forme normale et la forme anormale. Une tristesse normale, ça existe. Quand vous perdez un être cher, c'est normal d'être triste. Vous n'êtes pas pour autant en dépression. ok Mais quand cette dépression dépasse une certain, un certain temps, et de façon constante, la médecine estime que c'est une tristesse anormale. La tristesse anormale, c'est la dépression. Nous voyons aussi euh, la joie anormale qu'on appelle la manie. La manie. Oui, c'est une joie anormale. Euh, euh, la joie normale existe. Vous gagnez un million, vous êtes content. Mais vous gagnez un million, vous êtes content pendant, je ne sais pas, dix mois. Hein, vous êtes toujours en train de. Il y a un problème pendant dix mois, vous êtes en train de danser et que vous avez gagné un, million, il y a un problème. Alors que les millions sont finis Alors peut-être même que les millions sont finis, il y a un problème. Donc, tout ce que Dieu fait, dans le comportement humain, il y a sa forme normale, il y a sa forme anormale. Donc, vous voyez, il y a les, psychoses où l'individu est totalement déconnecté de la réalité. Il y a la dépression qui n'est rien d'autre que euh, la maladie de la tristesse. Il y a la manie qui est la maladie de la joie. OK Chez certaines personnes, on trouve les deux, c'est-à-dire non seulement il y a la maladie de la tristesse, de temps en temps ils font la maladie de la tristesse, à un autre moment de leur vie, ils font la maladie de la joie. Il y a euh, ce que nous voyons parmi les maladies neurologiques, l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique où la personne tombe, elle bave, elle euh, urine, dans, c'est assez courant. Hein. Euh, il y a... Euh, maintenant, on commence à voir ce qu'on appelle les démences, les personnes âgées qui font euh, euh, une atteinte, un vieillissement précoce du cerveau qui va s'exprimer par des oublis, qui va s'exprimer par des difficultés à parler, qui va s'exprimer par des difficultés à reconnaître ses propres enfants. Vous, recevez beaucoup de cas à l'hôpital national on, commence à en voir. Pour toutes les formes de, cas. Oui, on, on, en reçoit régulièrement assez de cas. Oui. Monsieur Abdoulaye Sanda, vous, avez déjà parlé de deux sortes de possessions. Oui. Et c'est courant. Vous en recevez beaucoup. Oui, je recevais beaucoup. Oui. Et moi, je suis à Niamey depuis en 80. Et c'est le même travail que je fais. Et puis depuis lors que je suis arrivé à Niamey, avant d'arriver à Niamey même, je, je travaille. Parce que j'ai fait le Soudan avant de venir ici. Mm. Donc, j'ai vu des malades mentaux. Beaucoup de cas, j'ai eu beaucoup de cas. dans le mois, par exemple, vous pouvez recevoir combien de cas Rien dans le mois, je ne peux pas préciser dans le mois, mais je peux avoir deux à trois dans le mois. C'est assez largement Bon, pour moi, ça suffit largement parce que un malade mental, pour le, pour le satisfaire, c'est pas facile. Des fois, tu peux passer toute la journée sur une seule personne. Mais c'est du coup. Finalement, euh, la, maladie mentale, c'est un problème de santé publique. Vous êtes d'accord avec Voilà. Maintenant, moi, je veux compléter euh, ce que le professeur a dit par rapport aux formes de maladie mentale. Comme il n'a il pas cité ce qu'on appelle les névroses. Et dans la majorité des cas, les névroses, ils viennent directement au, euh, ils viennent directement voir le psychologue. Parce que Contrairement aux psychoses, qui est coupé totalement de la réalité, les névrotiques, eux, ils sentent, ils comprennent qu'ils sont malades et ils cherchent la solution. Eux, ils ne sont pas coupés de la réalité. Ils, ils savent qu'ils sont malades, ils sont gênés par leur maladie et ils viennent voir le psychologue. Alors que les psychotiques, eux, ils sont totalement coupés de la, réalité, ils ne se sentent pas malades, c'est l'entourage qui comprend qu'ils sont malades. Donc c'est c'est aussi une forme de maladie mentale et, dans, ces, dans, ces, névroses, il y a plusieurs formes. Nous avons la névrose d'angoisse, il y a la névrose hystérique et il y a la névrose phobique où il y a une grande peur, la personne a peur de tout. Mhm. Le quatrième, c'est la névrose phobique, la névrose d'angoisse, la névrose hystérique et vous, la, névrose obsessionnelle. Voilà. D'accord, merci. On va aller aux causes rapidement, professeur. Qu'est-ce qui cause ces maladies Oui, c'est pour certaines maladies neurologiques. Pour certaines maladies neurologiques, on peut trouver la cause. Je vous ai donné le cas d'un déficient mental qui a fait un accident et les examens ont montré que son cerveau a été atteint à un endroit précis. Ok Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour la plupart des maladies mentales et neurologiques, il n'y a pas de causes précises. on ne peut pas identifier quelque chose pour la plupart pour dire c'est ça qui seulement qui est responsable de la maladie. Quel que soit le type de maladie mentale. Bah, pour certaines maladies, on peut trouver, mais pour la plupart, on ne trouve pas. Il y a, on identifie un certain nombre d'éléments qui, quand ils sont ensemble chez la même personne, va être responsable de la maladie. Si vous comprenez. Il faut que tous ces éléments-là soient ensemble pour générer un état de maladie. Comprenez Rarement on peut trouver un seul élément et on est sûr que c'est ça qui est responsable de la maladie mentale. Comprenez Donc parmi les, éléments qu'on il y a les facteurs héréditaires. Souvent quand vous avez quelques cas de maladie où euh, la personne malade dans ses ascendants, il y a des personnes qui ont présenté des maladies. Il y a les facteurs de stress de la vie quotidienne. Il y a ce qui se passe, par exemple, dans la région de Difa, on a oublié cet aspect-là, ou de la région de Nord Mali, les traumatismes violents auxquels les personnes assistent peuvent générer des, à cause de la guerre à cause de la guerre euh, les états de stress on appelle les états de stress post-traumatique quelqu'un qui assiste à, à, un éclatement de bombe et qui s'en est sorti par exemple, vous avez euh, dans notre contexte des facteurs liés aux infections. C'est ce qu'on retrouve notamment chez les femmes euh, dans les maternités, les femmes qui nous viennent des maternités. Parmi les facteurs, on identifie qu'il y a une infection, notamment une infection euh, gynécologique. Il y a la consommation de la drogue qui devient un facteur majeur et prépondérant ces derniers temps. Euh, que nous identifions assez fréquemment chez les jeunes, qui est un facteur assez déterminant, notamment le, cannabis, qui se trouve aujourd'hui être la première drogue consommée en Afrique. Au Niger, vous avez des, chiffres sur ces maladies Écoutez, euh, sur, sur les, les, les, les, psychoses que nous voyons, c'est-à-dire les maladies qui déconnectent les jeunes de la réalité totalement que nous voyons, euh, 80%, voire 85%, euh, on retrouve l'élément consommation de cannabis ou consommation de tramadol ou consommation d'autres drogues traditionnelles telles que le sobilobi. Vous comprenez Ou consommation chez certaines femmes de la foussi. Euh, pour avoir de l'embonpoint, il y a un produit qu'ils appellent la foussie. Vous voyez Donc, euh, et, ça, ce n'est pas au Niger seulement, malheureusement, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui se conjuguent pour créer un état de maladie. Rarement, on identifie un seul facteur pour dire que c'est ça qui est à la base de la maladie. Voilà. Ablaï, vous, avez des causes à ajouter. Vous, n'avez avez des parlé de possessions envoyées, des possessions héréditaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui expliquent les maladies mentales ah les restes, je suis avec le docteur. Parce que tout ce qu'il vient de dire, exemple, la cannabis, là, ça cause beaucoup de problèmes de santé mentale, actuellement surtout en Afrique de l'Ouest. Et vous en recevez je, je, vois beaucoup, mais nous, on ne peut pas les guérir en traditionnel. Seulement, on peut leur donner des tranquillisations, ils vont dormir. Après, quand ils retournent là-dedans, ça revient. Mais nous, on ne peut pas les soigner. Mais ce qu'on soigne, c'est les malades mentaux que la personne est possédée par les esprits. Merci beaucoup. nous allons essayer en disant que, en tout cas, quand on parle de maladie mentale, c'est beaucoup plus le rejet, la peur. Et sur ce point, je vous parler d'un monsieur très connu, à bon nom grécoire. C'est un monsieur, un très engagé depuis 1990 dans la défense des droits des malades mentaux. Euh, pour leur venir en aide, il a créé avec d'autres personnes, notamment son épouse, euh, l'association Saint-Camille, une association de référence qui a sauvé et qui a pu sauver des milliers et des milliers de malades. Les chiffres de l'association en 2013 disent que plus de 60 000 ont été secourus. Saint-Camille dispose actuellement de 12 centres d'accueil en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Burkina Faso pour au moins 200 malades par centre. Un grand connaisseur des malades, Agbonon Grégoire pense que les malades mentaux ne sont pas du tout dangereux et c'est plutôt nous autres qui sommes dangereux avec eux. Je vous propose de le suivre. C'est nous qui sommes dangereux envers les malades mentaux, la peur qu'on a envers eux. Mais c'est lorsque j'ai commencé cette rencontre avec eux que j'ai commencé par découvrir que vraiment c'est nous qui, qui, étions dangereux pour les malades. Un malade qui est mal compris, effectivement, il se, il se défend. Depuis que j'ai commencé, M. Moumouni, il y a un seul malade qui a eu un comportement sur moi où on dit, voilà, on t'a dit, Grégoire, que les malades sont dangereux. J'ai dit, non, je n'appelle pas ça dangereux. Je revenais de Yamsoko, précisément pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, en allant à Boaké. Et sur mon chemin, j'ai rencontré un malade, mais qui était, je, reconnais que ce dernier était en pleine crise. Il criait, il bavardait, il marchait à grands pas sur la route. Je le connaissais déjà un peu. Je me suis arrêté. Je l'ai appelé quand il m'a vu. Il dit non, non, non, non, non, Grégoire, aujourd'hui, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Mais moi, j'ai reconnu, je savais qu'il était en difficulté. Et c'est là qu'il a surtout besoin de moi. Je suis descendu de la voiture. J'ai commencé à le poursuivre. Je lui parlais. Il ne voulait pas m'écouter. Mais à un moment, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il m'a dit Il dit, écoute-moi très bien, Grégoire. J'ai un père, j'ai une mère. Est-ce que j'ai payé la maladie pour qu'on puisse m'abandonner jusqu'à ce point Voyez, ce qui faisait sa révolte est-ce que j'ai payé la maladie pour qu'on puisse m'abandonner jusqu'à ce point Je lui ai dit non, excuse-moi, même si ton père, ta mère t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. La preuve, au moment où tu en as besoin, Dieu m'a permis d'être devant toi. À la fin, il s'est calmé. Il est venu monter dans la voiture. C'est une question d'approche. Lorsque tu t'approches de quelqu'un où déjà dans ton cœur, tu as déjà peur. Mais lui, voit tout de suite le regard que vous avez envers lui le Béninois Agbono Grégoire, très engagé dans la défense des droits des malades mentaux. du coup, vous venez de suivre Grégoire. il estime que la peur, on ne doit pas avoir peur des malades mentaux parce que ce pas des gens qui sont dangereux. C'est cela Oui, tout à fait, la raison. Parce que dans toute chose, il y a une méthode d'approche. Si déjà c'est un malade qui est rejeté et qui vous le voit et vous le voyez et vous le fiez, vous continuez à le rejeter, donc euh, il, va, il va de soi qu'il s'énerve contre vous. Mais vous avez en face de vous un malade qui vous fait peur déjà, qui a un bâton euh, et qui arrive vers vous. Oui, bon, ça dépend. C'est difficile ça, à accepter. Ça dépend parfois. Si tu ne reviens pas en, violence, il peut ne pas te violenter. Parce que j'ai des exemples ici. dans notre service, on a des malades qu'on amène attachés. Et si on tente de les détacher avant de faire les soins, la famille dit non, non, non, non il, va, il, va, il va vous blesser on détache et puis il comprend normalement et puis on les fait les, soins sans qu'ils soient attachés. Nous ne devons pas avoir peur des, malades mentaux. On ne doit pas avoir peur des malades mentaux. C'est vrai, il y a des mesures. Il y a des mesures à prendre. Il faut pas euh, continuer à, il faut continuer à parler avec lui. Au fur et à mesure qu'il avance, vous continuez à parler avec lui et vous dédramatisez la situation. Parce qu'il est venu dans une situation dramatique. Vous, en tant que soignant, vous devrez euh, dédramatiser la situation. Comme ça, il va comprendre professeur donc, la méthode, c'est la communication, parler avec le malade. Je pense qu'il y a une méthode d'approche, effectivement. Pour euh, toute situation, il faut avoir la méthode d'approche, que ce soit dans le cas de la prise en charge des maladies mentales ou tout un autre. Mais le, le témoignage est assez euh, poignant. Et, ce qui pose le problème de la prise en charge des malades mentaux, c'est justement cette euh, stigmatisation sur des maladies. Pourquoi est-ce qu'il y a le rejet Et ça, c'est la société, non forcément. Ce sont nos représentations socioculturelles. Nous, nous, dans toute la société nigérienne, quand il y a un malade mental, dès qu'on le voit, la chose à laquelle on pense, c'est le génie. Est-ce que vous connaissez un Nigérien qui n'a pas peur du génie Et c'est avec ça que nous abordons. Donc, la réaction de la société, c'est une réaction de défense. Et c'est pas, parce qu'on est, pas parce qu'on est agressé, on est sur la défensive. Euh, vous avez entendu le thérapeute, il a parlé de l'interprétation culturelle de la maladie. Il a dit que c'est le génie, c'est le, vous avez dit génie, sorcier, qui n'a pas peur du sorcier au Niger C'est des choses qui existent vous y croyez, professeur ben, moi je dis que ça, ça, existe dans la tête de ceux qui croient. Euh, Donc ça n'existe pas pour vous Je crois, mais je ne suis pas convaincu. ça existe dans la tête de ceux qui croient. Quand vous amenez quelqu'un qui n'est pas nigérien, là-bas il a un génie. Ça n'existe pas dans sa tête. Nous, nous avons été élevés dedans. Mais justement, vous êtes professeur, comment nous convaincre que les génies n'existent pas ben, Je n'ai jamais dit que les génies n'existent pas. Moi, je crois que les génies existent dans la tête de ceux qui croient. Bon, peut-être c'est Ablaï qui va répondre rapidement. Les génies n'existent pas Non, les génies existent. Et puis, dans les cinq Corans même, Dieu a parlé sur le génie. Il a dit, ce c'est pas les gens qui, qui sont mauvais c'est les génies qui sont mauvais, qui apprennent les gens comment faire les mauvaises choses. Comme les, comment on l'appelle en français, les cires, le magie. C'est les génies qui apprennent les gens comment faire le magie. Parce que le temps des prophètes, Ibrahim, le, temps des prophètes. c'est l'explication du, Coran oui, c'est l'explication du Coran. moi, je suis convaincu que le génie existe. D'accord. Euh, c'est votre point de vue. En tout cas, nous allons à Dosso, où, <coughs> pour être dans la situation, euh, dans la réalité des malades mentaux au Niger, euh, là-bas, on les voit un peu partout, dans les rues, les lieux publics, parfois seuls, dans un coin entouré d'ordures. Certains d'entre eux restent à la maison sous surveillance de la famille, comme Ayouba, un jeune étudiant d'une trentaine d'années, ramené chez lui méconnaissable depuis sept ans. Malgré les interventions cliniques et mystiques, il est aujourd'hui un malade mental. Le reportage de Daouda Hassan. Assis dans un coin de sa chambre obscure, Ayouba, sans se soucier de ce qui se passe autour de lui, feuillette les pages des livres qu'il tient à la main avec cette attitude, sa sœur Adiza est sûre que la journée sera sans incident, ce qui poursuit-elle n'est pas le cas tous les jours. Quand ça se déclenche, on n'est pas du tout tranquille à la maison. Il incite les gens, parfois il devient même violent. La seule séance, c'est qu'il ne sort pas dehors pour les faire. C'est ici seulement à la maison qu'il les fait. Depuis son retour à la maison il y a sept ans, la famille a fait des pieds et des mains pour guérir le jeune Ayuba, un jeune exemplaire dans les temps se rappelle encore sa soeur. Il a fait ses études à l'université. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il est très intelligent. Dès qu'on entend un guérisseur ou quelqu'un qui peut s'en occuper, on l'amène. Plusieurs fois à Niamey, ils lui font des, piqûres et lui donnent des calmants. Pour ces féticheurs, le cas du jeune Ayouba est typique à celui à qui on jette un mauvais sort, un cas généralement difficile à traiter. Il existe plusieurs façons de les guérir, mais ces cas-là, dès que vous l'observez, c'est quelqu'un à qui on a jeté un sort, ou c'est les génies qui sont avec lui. Et ces cas-là est vraiment difficile à guérir. Parfois, c'est seulement celui qui a jeté le sort qui est capable de savoir comment détruire ça. À Dosso, le nombre de malades mentaux n'est pas connu mais ils sont nombreux qui se pavanent en rayon dans les rues et places publiques. Laura Hassan depuis Dosso pour le studio Calam. Voilà, c'est un reportage de notre reporter euh, dans la région de Doussou, Daoud Hassan, sur euh, les malades mentaux dans la région de Doussou. Professeur, on a parlé de traitement euh, des malades mentaux. Celui-là, Yuba, qui est un exemple palpable, il a eu un traitement scientifique et puis un traitement mystique, mais il est toujours là, malade mental. Peut-on traiter un malade mental Oui, on peut bien traiter un malade mental. Et je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de maladies. Et comme dans la médecine, dans les autres spécialités, si on doit classer les maladies mentales en termes d'évolution, on a deux grands groupes de maladies mentales. Et je vous parle du traitement. Il y a ce qu'on appelle les maladies mentales aiguës. Pour ces maladies-là, vous arrivez à l'hôpital, on vous traite et vous guérissez comme vous pouvez guérir d'un traitement famille et c'est terminé. Sauf si vous en contractez encore. Le deuxième groupe, c'est le groupe des maladies mentales chroniques. Ok. Et quand on parle de, maladies chroniques, que ce soit physique ou mentale, ça veut dire que le traitement est long, voire à vie. Vous comprenez C'est le capteur de Ayuba Probablement. Quand vous prenez parmi les maladies, est-ce que vous avez vu quelqu'un guéri de l'hypertension artérielle Quand il prend son traitement, ça va, mais dès qu'il ne le prend plus, ça ne va pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un guéri du diabète Quand il prend son traitement, ça va. Quand il ne le prend pas, ça va. Ça va pas. Et c'est pareil pour les maladies mentales chroniques. Il y a un certain nombre. Quand ils prennent leur traitement, ça va. Mais quand ils ne le prennent pas, la maladie revient. C'est tout simple comme ça. Ah. Et justement, la société a des difficultés à intégrer ça et à continuer à accompagner aux soins pendant pratiquement toute. Voilà, c'est ça le problème. Ablaïsanda, Sanda, peut-on guérir euh, les malades mentaux Oui. Comment rapidement eh, C'est que traditionnellement. Eh, traditionnellement, on peut guérir un malade mental. Moi, dans mon domaine, je ne parle pas des autres domaines. Maintenant, tout ce qui est possédé par les mauvais esprits ou les sorts jetés, envers la personne pour qu'il soit malade mental, on peut le guérir. Mais ici au Niger, on a un problème parce que les guérisseurs, certains ne sont pas des guérisseurs, des vrais guérisseurs qui connaissent bien le domaine. Exemple maintenant, le sort de Ayuba. Si c'est quelqu'un qui l'a. Il, a, malade, il a fait le mystique, il a fait la science. Voilà, il a fait le mystique, il a fait la science, ça n'a pas marché. Maintenant, si c'est quelqu'un qui l'a rendu malade, on dit il faut que la personne même qui l'a rendu malade, c'est pas ça. Si c'est ton domaine, parce que nous ici, on n'étudie pas les choses profondément avant de rentrer là-dedans. Tous ceux qui ont fait l'étude profonde peuvent le guérir. Mais c'est un long traitement, comme le docteur vient de dire. Mais Monsieur coup le traitement euh, côté social, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut mettre l'accent oui, le côté social, d'abord, euh, avant même d'arriver au côté social, il faut parler de l'observance du traitement. Il faut que le traitement soit bien observé. C'est pas parce qu'on a donné le traitement pendant un mois et qu'on arrête. Parce qu'on dit que c'est une maladie chronique, c'est un traitement à vie. Qui dit chronicité dit durée dans le temps. Et qui dit durée dans le temps dit traitement à vie. Donc, c'est pas euh, si on aborde le traitement et puis on, laisse. Et puis le traitement des maladies mentales chroniques, ça peut avoir trois composantes. Il y a la composante médicamenteuse, il y a la composante psychologique et il y a la composante sociale. Qu'est-ce que la société doit faire La société doit accompagner. Parce que ici, pour, pour le cas de Ayuba, on, on, est en train de mettre l'accent sur Ayuba, mais on n'a pas mis l'accent peut-être sur sa famille, sur le système, son entourage. Il, a, une grande sœur qui est très gentille avec lui et qui s'occupe de lui. La grande sœur, ça peut, de sa situation. La grande ça peut ne pas suffire. on peut passer à un traitement systémique, une thérapie systémique, une thérapie familiale systémique. Il faut mettre tout le monde, chercher la cause de son problème et, chercher à, mettre l'accent sur cette cause. Parce que pour guérir quelque chose, il faut connaître la cause. Rapidement très pratique. Un exemple, un exemple que je peux donner peut-être, c'est qu'il faut réunir toute la famille et parler de, tout ce qu'il a eu depuis son enfance. Parce que euh, on dit que euh, dans l'environnement social, l'environnement social peut être pathogène. Et si l'environnement social est pathogène, on met l'accent sur, cet environnement qui est pathogène. Et peut-être qu'avec l'accompagnement médicamenteux, psychologique et social, ça peut aller pour euh, l'accompagnement social, par exemple, c'est possible qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens ou ils n'ont pas pris le problème euh, dans, la durée, dans le temps. Ils sont pressés que ça guérisse. Alors que euh, dans la maladie hmm. mentale, on ne parle pas de guérison totale, on parle de stabilisation. Hmm. Professeur, on on, peut-être finir avec vous sur l'aspect traitement. Est-ce que vous avez, y a les moyens ici au Niger pour traiter les personnes malades, les, malades mentaux Est-ce que les services sont disponibles je pense que les services sont disponibles, notamment dans les grandes villes du Niger. Vous en avez à Niamey, vous en avez à Dosso, à Zender, à Maradi, vous en avez à Tawa, à Gadez. Et dans toutes ces régions, il y a des personnes spécialistes de la question de la maladie mentale qui sont au niveau des, des centres hospitaliers régionaux et même dans certains départements. Donc, de ce hmm. point de vue, ressources Structure et ressources humaines, nous ne sommes pas euh, les moins nantis dans la sous-région. Du point de vue médicaments, les médicaments sont disponibles et c'est pas cher pour prendre en charge. Quand combien, rapidement ben, Écoutez, pour, un, pour, lambda, est-ce que Par exemple, pour une ampoule, euh, pour 3000 francs, à peu près, on a un traitement d'un mois. Très efficace. Très efficace, en tout cas sur la, durée. Et je pense que beaucoup de gens peuvent, quand vous savez que quelquefois, quand ils vont chez les guérisseurs, quelquefois pas des grands guérisseurs, qui leur demandent des sommes honoreuses, des biens matériels importants pour un, un résultat que, nous, que nous finissons par apprécier à l'hôpital. Le second volet, et, c'est ça le plus important, je veux vous donner un, témoignage d'un malade, si on a le temps. Euh, le volet social, la stigmatisation dont Grégoire a parlé. Même quand vous êtes malade, même quand vous n'êtes pas malade plutôt, et que vous êtes dans un groupe où vous êtes totalement rejeté. Personne ne vous parle. Dès que vous parlez, on dit qu'il ne va pas bien, ne l'écoutez pas. Eh bien, vous allez tomber malade. À plus forte raison si vous l'avez été déjà. Donc, un mot rapidement qui puisse euh, faire en sorte qu'on accepte ces malades et puis bon voilà. Moi je pense qu'il faudrait que les Qu'ils qu'on est avec eux. Voilà, que euh, les, familles intègrent que les maladies mentales chroniques sont comme l'hypertension, comme le diabète, comme toutes les autres maladies chroniques et qu'en faisant un traitement long à vie, on peut avoir une personne productive. Merci beaucoup. Euh, merci à vous, chers participants. Euh, c'est la fin de ce forum. Bonne soirée. Merci pour l'écoute.